ñu ngi gisee ak ministre du commerce tey ndaje bu yaatu ci diggante euh, ñaari fédération yi muy fédération nationale des boulangers du Sénégal ak le regroupement des boulangers du Sénégal donc région yi ñëpp ñëw nañu fekke ci ndaje bi ndaje bu am solo tey wax nañu jàkkaarloog ministre bi wax ko li nga xam ne mooy feebaru secteur bi moom la ñuy dund lii xew ci Dakar xew ko ci région yi lépp teg nañ ko ci table bi waxtaan ko ci njëkk ak terang ministre bi comme ni ko président de la république sante woon sant ko gouvernement yam pour ñu recevoir acteur yi waxtaan ak ñoom def na ko tey ak ñun donc ñu ko ci gërëm di ko ci sant mais également di gërëm njiitu réew mi donc waxtaan nañu waxtaan nañu problème yi yi nga xam ne moom mooy euh, moo tax secteur bi nekk ci li mu nekk ñuy génn di wax donc waxu grève bi ñu doon wax teg nañ ko ci suuf mais ñu ngi continuer di demander njëgu mburu bi ñu xoolaat ko parce que intrant yi dafa cher ku ne intrant ne farine

donc ñu jël né peut-être fi ak ay fan yu néew ñom dinañ commencer def li ñu wara def pour fi ak wër ñu dajé dajewaat ci biir dajé bobu nak lañuy définir feuille de route bi nga xamné mo ñuy permettre ñun ñëpp ñuy yëkkateendoo di wàcceendoo ba nga xamné secteur bi niñ ko namme ñëpp dinañ ci gis sen bopp muy consommateur bi muy ñun muy ñeneen ñi nga xamné dañ ci dund. On a été reçu par le ministre euh, du commerce les deux, les entités, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers du Sénégal. Donc nous avons fait euh, deux heures ou trois heures de discussion pour exposer tous les problèmes que traverse le secteur de la boulangerie euh, sénégalaise. Donc le ministre nous a écoutés religieusement avec son staff. Nous nous sommes donné rendez-vous euh, d'ici un mois pour permettre au ministre avec son staff de travailler tout, sur tout ce qui a été dit, donc pour que le secteur puisse euh, reprendre euh, son envol comme euh, le veulent les acteurs. Donc nous traversons des moments difficiles, nous l'avons dit depuis quelque temps. Donc en ce qui concerne le prix du pain, nous demandons la vérité des prix. Le ministre propose à ce qu'on revoie la structuration du prix du pain. Nous sommes d'accord. Donc, la réglementation aussi nous sommes d'accord avec le ministre pour que les points dont souffre la boulangerie puissent être réglés, mais également les autres euh, problèmes qui sont euh, la cherté des intrants, notamment la farine, la levure, l'améliorant et tous les autres euh, intrants que nous utilisons pour fabriquer le pain. Maintenant, nous ne parlons plus de grève, mais aussi nous demandons qu'il y ait vraiment la vérité des prix parce que euh, nous continuons à souffrir. Et comme que nous continuons à souffrir, il y, aura répercussions vraiment sur ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous demandons le plus rapidement qu'il y ait des solutions aux problèmes que nous avons posés. Nous sommes sortis de cette rencontre vraiment ragaillardis parce que le ministre a pris des responsabilités, comme l'avait demandé son Excellence le Président Macky Sall à son gouvernement, que tous les problèmes dont souffrent la boulangerie sénégalaise puisse être discutée par les acteurs pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions.